Auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien, l'émission Le Niger sur Kalangu. Nous sommes lundi 13 mai 2024, journée nationale de la femme nigérienne. Nous souhaitons à cet effet bonne fête à toutes les femmes, bonne journée à nous. Au micro, je suis Samira Wafi et avec moi Mariam Adi pour la présentation. Bonjour Mariam, j'espère que tu vas bien. Ça va bien Samira, bonne fête à toi. Merci. Alors, à qu'avons-nous au ce matin comme d'habitude, Mariam, nous sommes là pour une heure. Au début, nous aurons le flash d'informations présenté ce matin par Mokhtar Hamadou et aussi de la bonne musique nigérienne spéciale Femme à l'honneur. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons justice de la partie invitée du jour, à l'occasion de ce 13 mai, nous suivrons ensemble un entretien avec euh, Mme Haruna Fatmata, membre de la Femme, la coordination des ONG Association Féminine du Niger. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, euh, l'écho des régions qui nous amène à Maradi pour voir l'ambiance festive des femmes à l'occasion de ce 13 mai. Il y aura du loti avec les femmes du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique, puis nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée ce matin par Adam Dawaki et à la technique d'aujourd'hui, ça sera Amina Hassan, spéciale femme. On y va. Tout de suite, à les flashs d'information avec euh, Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Mariam, bonjour euh, Samira. Bonjour. Le flash d'information à présent les autorités du Bénin ont violé les accords, les liens avec euh, le Niger et la Chine dans le cadre de l'exportation du pétrole brut nigérien à partir de la plateforme du SEME. C'est ce qui ressort euh, dans un point de presse animé par le Premier ministre euh, du gouvernement de la transition du Niger, Lamine Zen Ali Mahama, samedi 11 mai à Niamey. Cette sortie médiatique du Premier ministre de la Transition du Niger a pour objectif d'apporter sa part de vérité concernant les propos du président de la République du Bénin, Patrice Talon, relativement à l'interdiction de l'exportation du pétrole brut du Niger via le port de Semé. Ali Lamine Mohamed Zen a aussi expliqué qu'il y a eu un accord bilatéral entre la République du Niger et le Bénin, un autre accord bilatéral entre la République du Bénin et la Chine et même un accord tripartite. En prélude à la journée nationale de la femme nigérienne célébrée chaque 13 mai, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, a reçu en audience samedi 11 mai un collectif de femmes nigériennes sous la conduite de la directrice générale de la protection de la femme et de la protection de l'enfant, Madame Ide Hadjara Arzika. Au terme de cet entretien, Madame Ide Hadjara Diara a fait savoir à la presse que c'est vraiment un honneur pour elle. Le président nous a accordé toute son attention et il nous a donné l'assurance que nos doléances seront prises en considération. Il a également témoigné sa reconnaissance envers la lutte que la femme nigérienne a menée suite aux événements du 26 juillet 2023 a-t-elle poursuivi. Le Centre pour le dialogue humanitaire en abrégé HID a organisé samedi 11 mai devant l'esplanade du palais du chef du canton de Meinosoroa une cérémonie de signature d'accord de prévention de conflits entre les communautés des communes de Meinosoroa et de Goudoumaria dans la région de Difa. Cette cérémonie de signature d'accord est le fruit d'un processus de médiation caractérisé par une dynamique inclusive facilitée par HD suite à la demande des autorités administratives et traditionnelles du Mainosoroa. L'ensemble de ces rencontres organisées avec la facilitation du centre HD ont permis aux acteurs de prendre des engagements pour un accès apaisé aux ressources, le tout en faveur de la cohésion sociale. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 13 mai 2024. Merci Mokhtar, passe une belle journée. Merci beaucoup très bonne continuation. Merci beaucoup. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous suivrons ensemble un entretien avec Madame Haruna Fatmata, membre de la Congafen. Avec elle, nous allons parler de cet événement historique du 13 mai 91 qui a fait bouger la représentativité des femmes à la conférence nationale souveraine. C'est juste après cette conférence nationale du 29 juillet 1991 que la journée du 13 mai a été décrétée comme journée nationale de la femme nigérienne. Mais avant d'entamer notre discussion, Mariam, nous nous allons pour notre première balade musicale de ce matin qui rend hommage à la femme nigérienne. Effectivement, Samira, nous sommes le 13 e journée nationale de la femme nigérienne qui a pour thème cette année investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Nous vous invitons à savourer ces magnifiques sons des matins de la troupe Albichur de Chiro. le titre Matankoye qui est en train de résonner euh, au studio Kalangu. Cette troupe dans cette chanson décrit la situation de la femme rurale et à travers laquelle cette troupe fait un plaidoyer pour que les conditions de vie euh, de ces femmes soient améliorées, notamment l'accès à l'eau potable al de Tiro est une troupe qui fait tourner les mélomanes de la musique moderne nigérienne. Cette troupe a été dirigée pendant plus de 30 ans par Feu Mbadoche Narwa qui est décédé le 25 juillet 2022 personne. C'était là notre première note musicale dans cette émission Les Niger sur Kalangu. Il est temps compromis d'écouter notre entretien du jour avec Madame Haruna Fatoumata, membre de la Conga Fena. Dans cette première partie, elle nous trace l'historique de cette marche spontanée des femmes le 13 mai 91. On l'écoute au micro de Samira Rouafi. C'était en 91, donc lors des travaux préparatoires de la conférence nationale souveraine où les femmes ont été sous-représentées. Je dirais sous-représentées parce qu'il n'y a qu'une seule femme qui représentait plus de 51% de la population à ces assises-là. Donc, ce jour-là, les femmes, pour manifester leur mécontentement, se sont levées comme un seul homme, toutes tendances confondues. Vraiment, c'était de manière spontanée. Toutes les femmes étaient descendues dans la rue pour manifester. Bien sûr, il y a nos aînés qui sont là, les Madame Moukaïla Isata, les Madame Moumouni Aïssata, les Madame Gop en tout cas, elles sont aussi nombreuses, celles qui les Rekia, Kanta, les Maria Makaita Certaines ne sont plus de ce monde. Donc, elles sont descendues avec nous, autres, les petites qui sont derrière. Malgré qu'on <laughs> n'avait pas atteint l'âge de choses, on est descendu dans la rue pour réclamer une meilleure représentation le gouvernement a entendu la voix de ces femmes et on a rehaussé le nombre de femmes au niveau des travaux préparatoires. Donc c'est de là que c'est parti. À partir de cet instant, les femmes n'ont pas baissé les bras. Et vous avez vu, c'est la lutte-là que les femmes ont continué de faire qui a fait que pour la première fois, nous avons eu une femme ministre qui était Madame Fé Moumouni Aïsata que Dieu est son Les gens ont continué à lutter jusqu'en 2000 où on a obtenu ce qu'on appelle la loi sur le quota, qui est une disposition transitoire. Parce que je dis transitoire parce qu'elle peut changer. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont sous-représentées peut-être que la tendance va changer demain, ce sera les hommes qui vont être sous-représentés. Et là, nous n'allons plus dire qu'il y a discrimination envers les femmes. Donc cette loi sur le quota, elle dit au niveau des postes nominatifs, c'est-à-dire normalement 25% sont réservés pour l'un ou l'autre des deux sexes. Mais comme nous sommes les plus vulnérables, nous les femmes, on a pris cette loi, on nous l'a collée. Et le législateur n'a pas oublié le volet électoral. Au niveau des postes électifs, on a dit que 10% est réservé à l'un ou l'autre des deux sexes. Nous avons travaillé avec ça, ce qui a permis aux femmes d'accéder au niveau du Parlement. Cette loi, elle, son respect ne pose pas de problème parce qu'il y a ce qu'on appelle le juge du contentieux électoral qui suit ça de près. Donc là-bas, là, pour les postes électifs, vraiment, on n'a pas de problème. Maintenant, on est arrivé à la dernière législature qui a été dissoute le 26 juillet 2023 lors des événements que tout le monde connaît. Nous étions à 51 femmes donc plus de 30,02% de représentation au niveau du Parlement. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, 33 ans plus tard, parce que de 91 à aujourd'hui 2024, euh, est-ce qu'on va dire que ces événements ont permis aux femmes d'être plus soudées Du point de vue solidarité, vraiment c'est ce qui nous manque. Parce que vous voyez, chaque jour, il y a une multitude d'ONG et associations féminines qui se créent. Au lieu d'être solidaires, de travailler en synergie ou bien de fédérer. Nous continuons toujours à, en ordre dispersé. Je ne pense pas qu'on ait gain de cause un ordre dispersé. Moi, j'interpelle toutes les associations féminines que nous puissions fédérer pour former une grande association. Parce qu'en ce temps, il n'y avait que la FN que les gens connaissent. Ensuite est venu se greffer le RDFN. Donc, vous voyez, au moins, on a deux grandes structures féminines. Mais aujourd'hui, quand vous prenez, tout celui qui est mécontent ou bien qui est un peu frustré, parce que c'est un problème de leadership, il se met de l'autre côté, il crée son association. Et de création, de création, où est-ce qu'on va aller On n'aura pas gain de cause. Il faut que nous fédérons nos énergies pour que la lutte mène. Parce que la société civile, c'est quoi hein? La société civile, elle doit avoir un œil regardant. C'est elle, un organe de veille. Elle doit veiller au respect et elle doit dénoncer. Par exemple, aujourd'hui, on a un ministère qui a été acquis de hôtellerie. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, un ministère qui est très important où on sait que la femme, elle est actrice incontournable du développement parce qu'aucun pays, aucune nation ne s'est développée en écartant les femmes. On a toujours associé les femmes et les jeunes développer son pays. Donc vraiment, je pense que le ministère de la Femme doit être réhabilité. Et cette réhabilitation, si nous voulons l'avoir, c'est qu'il faut que qu'on soit solidaire, qu'on s'élève comme un seul homme pour réclamer nos droits. C'est un droit. On ne réclame pas quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est notre droit parce qu'on a acquis de haute C'était là la première partie de notre entretien du jour avec euh, Madame Haruna Fatoumata. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalango, animée ce matin par Maria Adé et Samira Wafi. Nous tenons vraiment à faire plaisir à toutes les femmes nigériennes en ce 13 mai. Et la chanson qui va suivre est devenue littéralement l'hymne de la femme nigérienne. vous l'avez deviné, c'est juste magnifique l'effet de ce titre Mata du groupe Soga sur les femmes. Chers auditeurs, euh, Soga met à l'honneur les femmes, la femme nigérienne à travers euh, cette musique, l'un des groupes musicaux nigériens les plus aimés par le, groupe, par le public plutôt, ce groupe qui fait bouger les jeunes tout comme les moins jeunes à travers des chansons et des styles variés. Et cette chanson Mata est un magnifique son qui rend un vibrant hommage aux femmes nigériennes où qu'elles puissent être en campagne comme en ville. Mata du groupe Soga Nila place à présent la deuxième partie de notre entretien avec euh, Madame Haruna Fatmata, membre de la Conga FEN. Dans cette seconde partie, elle nous parle de la contribution de leurs structure dans l'autonomisation des femmes, surtout celles dans le milieu rural, et appelle les femmes à plus de solidarité pour avoir gain de cause pour les à venir. On l'écoute. Alors, euh, qu'en est-il de la femme rurale Parce que 33 ans plus tard, euh, le 13 mai n'est toujours pas connu par certaines femmes rurales. Elles ne savent même pas que c'est une journée qui est dédiée à la femme nigérienne. Qu'avez-vous à leur dire et quelles sont les actions que mène Kwangafen pour que ces femmes-là puissent connaître cette date-là Au niveau de la Kwangafen, que je maîtrise bien. Par exemple, pour que les femmes soient au parfum de l'événement. Nous organisons des manifestations à travers parce que Kongafen est représenté dans toutes les régions, aussi bien au niveau régional qu'au niveau communal. Donc, Kongafen mène des activités avant même le 13 mai et après le 13 mai pour sensibiliser les femmes, pour vulgariser les textes de loi en faveur de la promotion des droits des femmes. Tout cela, c'est ce que Kongafen fait chaque année et même cette année, nous sommes à pied d'œuvre pour sensibiliser nos femmes. Parce que Congafen a pris conscience que les femmes aux confins du Niger, il y a beaucoup qui ignorent ce que c'est que le 13 mai, qui ne connaissent même pas l'historique du 13 mai. Donc c'est à ce jeu-là que nous nous attelons pour sensibiliser nos femmes pour qu'elles puissent connaître le 13 mai pour qu'elles puissent vraiment militer en faveur des droits des femmes pour arracher ceux qui leur appartiennent. Nous leur faisons des formations, par exemple, sur la participation politique, pour qu'elles puissent vraiment participer. Parce que quand tu ne participes pas en politique, vous ne faites pas de la politique, il est difficile que vous soyez promis. Parce que c'est à travers les postes politiques que les gens ont été promis. Donc nous encourageons les femmes à participer, mais pas à participer en tant que bétail électoral. C'est-à-dire la vraie participation participation digne de ce nom et une participation de qualité. Parce qu'à la Congafen, nous ne cherchons pas la quantité, mais nous cherchons la qualité. C'est-à-dire, on veut que les femmes soient nombreuses au niveau du Parlement, au niveau des instances de prise de décision, mais des femmes de qualité. Nous ne sommes pas en train de commander au niveau de la Femme. C'est pourquoi nous, nous cultivons l'excellence. Nous sommes contre la culture de la médiocrité. Et nous, pour mieux rendre l'utile à l'agréable, nous avons une mutuelle qui est la mutuelle d'épargne et de crédit Mécref qui est affilié à la Congafène, chaque fois que nous rencontrons des problèmes avec euh, les femmes parce qu'il y a la pauvreté au niveau rural, nous les mettons en relation avec la MECREF pour qu'elle puisse les appuyer, pour qu'elle soit autonome économiquement, parce que quand ils tendent la main, tu n'es pas autonome, tu n'es pas indépendant économiquement, socialement et culturellement, tu ne peux pas avancer. Donc, pour éviter toute forme de discrimination, pour combattre, nous les emmenons au niveau de la MECREF. Aujourd'hui, nous avons un crédit, par exemple, en bouche résiliente que nous sommes en train de promouvoir à travers MECREF dans les régions de Tilaberi, Zander, Tawa et Maradi, Dosso. Donc, vraiment, le warrantage. Nous sommes en train de, de vulgariser au niveau de nos militants qui sont dans des zones rurales pour qu'elles puissent être vraiment autonomes. L'avantage de la Congafen, c'est qu'il y a tous les domaines, toutes les spécialités y sont. Si c'est le domaine de la santé, nous avons des acteurs de la santé. Si c'est l'éducation, on a une batterie d'enseignants. En tout cas, dans tous les domaines, nous avons des compétences qui peuvent faire le travail. Quand quelqu'un n'est pas sensibilisé, il ne peut pas évoluer. Donc, nous, nous mettons l'accent sur l'éducation, la sensibilisation et le changement de comportement pour que les gens puissent évoluer. Et maintenant, nous sommes en train de préparer la relève. Nous sommes en train d'attirer les jeunes filles au lieu d'aller créer une structure, nous, nous sommes en train de vieillir et nous sommes en train de partir. Venez prendre la congafène pour créer la relève. En ce nous organisons des fois ce qu'on appelle les forums intergénérationnels. Donc nous discutons des activités. Vraiment, nous faisons ce que nous pouvons faire et nous nous appuyons, par exemple, en cas de catastrophe. La Congafen a toujours appuyé les personnes victimes pour amener sa modeste contribution. Et nous continuons vraiment le combat pour le respect de la loi sur le quota parce que Congafen est la seule structure qui a eu le courage d'attaquer un décret présidentiel pris en Conseil des ministres. Nous avons attaqué ça quand il s'agit de ne pas respecter la loi sur le quota. Mais malheureusement, ce que les femmes nigériennes ne savent pas, c'est que dans les décret d'application, il y a un biais qui a été inséré dans le décret d'application qui ne donne pas la force pour lutter. Donc ce biais-là, il faut que le verrou-là, il faut que toutes les femmes s'unissent pour qu'on revoie le décret d'application. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un ministre va prendre un arrêté pour nommer des, des secrétaires généraux des préfectures et qu'on dise que ah, ça là, c'est pas attaquable. Est-ce que euh, la fait la connaissance euh, du thème de cette année par rapport au 13 ah, C'est l'entrepreneuriat féminin toujours, autonomisation de la femme, levier de développement. C'est le même thème qui a été reconduit comme le 8 mars. Est-ce que par rapport à cela, vous avez des activités que vous êtes en train d'organiser pour ce 13 mars Je suis ici quand Tilaberi m'a appelé. Nous sommes en train d'appuyer des femmes de Tilaberi, des groupements féminins. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprendre lui à pêcher. Donc mm. nous les avons organiser en groupement. Par exemple, on va leur apprendre à faire l'embouche bovine, l'embouche résiliente, parce que c'est la modernisation de l'embouche traditionnelle. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des femmes spécialement pour ce 13 mois Nous voulons revendiquer nos droits. Les femmes et les jeunes, nous représentons plus de 50% de la population. Mais le jour où on devait sortir pour montrer cette force numérique, les gens restent dehors, ils ne viennent pas il faut sortir, montrer au gouvernement que nous représentons plus de 50% de la population. J'en appelle à la prise de conscience de toutes nos sœurs, nos filles, nos petites filles, de sortir massivement au niveau du palais du Congrès, sans distinction aucune, pour montrer au gouvernement que nous sommes vraiment la force numérique de ce pays et qu'on ne peut pas développer ce pays sans cette force. En nous écartant, rien ne peut aboutir. Donc vraiment pour que on nous réhabilite notre ministère de la promotion de la Nous avons soif de ce ministère. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à la justice. Et oui, les violences basées sur le genre sont l'ensemble des troubles liés à des violences corporelles, psychologiques, morales, sexuelles et psychiques dont une personne peut être victime. Qu'en est-il de la prise en charge des femmes victimes de VGB par les associations. Réponse avec Gerbe Youssouf Oubeda, membre de l'AFJN, Association des femmes juristes du Niger et les juristes chargés du programme Accès à la justice sur le projet Adelchi et le micro de Rafika Taher. Comment prenez-vous en charge les cas de violence au sein de votre association En tant qu'association, on n'a que cette euh, prérogative d'écoute, de conciliation et d'orientation on n'est pas habilité à statuer sur les cas. On les réfère au niveau des services compétents. Tout ce qu'on fait, nous, à notre niveau, c'est d'essayer de faire la conciliation. Si ça marche, là aussi, on réfère au niveau des tribunaux d'arrondissement communaux pour matérialiser cette conciliation-là. En dehors de la conciliation, qui elle-même en finalité, il faut matérialiser ça au niveau des, des tribunaux d'arrondissement communaux. On ne statue pas, on réfère vers les services compétents pour tous ceux qui relève de la question juridique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en matière de VBG, on ne décide pas à la place de la survivante, mais on l'aide à prendre une décision par rapport au cas qu'elle vit, par, rapport à la violence qu'elle vit. Est-ce que tous les cas nécessitent une conciliation Il y a des cas qui ne nécessitent pas de conciliation. Parce qu'une femme qui vient nous dire que son mari là-bas, ou il lui fait des menaces de mort, là, on n'essaie pas de faire une conciliation. Parce qu'elle-même, de prime abord, quand elle vient, elle ne demande pas en fait une conciliation, mais elle, serait en train de demander un, secours. Donc pour ces cas précis, on les oriente directement, on prend en tâche avec euh, la police du ressort du commissariat parce que matière juridique en fait il faut pas brûler les étapes. Quels sont les genres de VBG que vous enregistrez souvent et comment solutionnez-vous le problème On enregistre presque en tout cas les quatre typologies de VBG à savoir euh, les violences psychologiques, les violences physiques, les dénis de ressources en majorité et les mariages précoces ou forcés. Voilà. Et les après-viols, si vous voulez, la non-reconnaissance de grossesse. Les cas enregistrés de violences euh, euh, au bureau de la FGN, c'est surtout les violences psychologiques, ou morales, comme on le dit, les violences physiques, en majorité les données de ressources, les cas de mariage précoce ou forcés, et les non-reconnaissances de grossesse après un viol. Donc pour ces cas précis, surtout pour ce qui est des problèmes conjugaux, on privilégie la conciliation. Surtout quand il y a des enfants, nous on privilégie la conciliation. Donc on essaie de trouver un terrain d'entente entre la dame et son mari, histoire de préserver les enfants, parce que quand il y a divorce, c'est les enfants qui en pâtissent. Arrivez-vous à réussir toutes les conciliations à 99%, on a reçu toutes les conciliations qu'on a eu à faire parce que après avoir écouté la femme qui nous donne l'autorisation d'appeler son mari, on appelle ce dernier, on l'écoute et on essaie de concilier. Et après cette conciliation-là, on les refait au niveau du TAC, du tribunal d'arrondissement communal de leur ressort, pour matérialiser cette conciliation-là. Est-ce que vous collaborez avec d'autres acteurs pour les dénonciations, par exemple des cas de VBG Dans tous les cinq arrondissements communaux, on a y a formé des parajuristes, donc au nombre de 20 pour chaque euh, arrondissement communal sur les VBG, les droits des femmes, les voies de recours, l'écoute, l'orientation de ces survivantes-là. Donc, euh, des cas nous sont reportés par ces parajuristes-là. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire. marquant une autre pause musicale, n'est-ce pas, Mariam Oui, Samir, avec les sons et bordengui du collectif Asso Niger, une très belle chanson qui rend aussi un grand hommage à la femme nigérienne. femme du i femme qui l'initiative de Art Disc Record et de l'ONG Changement de mentalité à travers l'art. Il est composé de 8 artistes féminines, 8 femmes, 8 magnifiques voix qui font encore bouger les mélomanes nigériens à travers des styles musicaux variés, du rap au RB en passant par le gospel et l'islam bien sûr. musicale, <laughs> Samira, on passe à l'écho des régions. Tu sais, Samira, à l'occasion de cette journée, plusieurs activités sont organisées par les femmes partout dans le pays. Oui, Mariam, et notre rubrique Éco des régions nous amène à Maradi pour voir l'engouement de cette fête. Selon notre correspondant Mohamed Maman, des progrès ont été réalisés en matière de promotion du leadership féminin et de la participation politique des femmes. Écoutons son reportage. En parlant de leadership ou d'autonomisation, la femme de Maradi s'est toujours faite remarquer par son sens de plus d'initiative. Elles sont en effet nombreuses, celles qui sont dans le commerce, l'entrepreneuriat et dans plusieurs autres secteurs. Cependant, la célébration des différentes fêtes du 13 mai a permis à beaucoup de s'inspirer des conseils. C'est le cas de Madame Modi qui est aujourd'hui la présidente des femmes commerçantes du grand marché de Maradi. Elles vendent des produits transformés à base des produits locaux. gaskiya matan suna Bada Saboda ina gani bisa kai ga sarrafe-sarrafe duk da za ce ana sarrafawa in ce gaskiya alhamdulillahi a maradi za ka same shi haraka ne wanda ya shahi kayan gona haraka ne wanda ya shahi sarrafe-sarrafe na haraka cosmetic kamar mu kama turare sabini mai duka wannan muna sarrafa su kuma sarrafe-sarrafen sabinin da mai muna yin shi ta kala daban-daban ka kama daga na 'yan maka ne za a sarrafa bedi ne za a sarrafa ai wani abu da shi kwakwa ne za a sarrafa duk dai abin da yake na sarrafawa muna sarrafa shi to gaskiya ya kama mata ci gaba mai yawa saboda ni sai in ce a nan zaman da muke kaga tun muna da fuwaye guda ko to masha Allah har muka kai ga yin fuwaye sai in ce a uku ko hudu ma a nan cikin maradi fuwaye hudu ke gare mu wanda fuwayen nan kuma eh, nan maradi fuwaye biyu wanda wannan fuwayen biyu sun kumshi hiye da ɗaliba 200 da wani abu to kuma daga cikinsu akwai wanda bara mun yaye su sun koyi ayyuka daban-daban wa'ansu su ma sun kama wurare suna can suna koyarwa wa'ansu suna yi suna saidawa parlant de la participation politique des femmes, qui est une des luttes du 13 mai, on peut se réjouir que depuis un certain temps, elles se battent comme des hommes sur la scène politique. Et si la commémoration de ce 13 mai coïncide avec les 20 ans de la décentralisation effective, Madame Sage estime que cette décentralisation a permis à plusieurs femmes d'émerger politiquement. wace jama'a matsala ke gare mu ba mu da mace mayar jihar mara tun da aka fara tun wancan manda da aka yi ta 2004 kat to aka yi wancan na 2011 aka yi wanga 2011 ba mace ko guda mayar yanzu ma wanga da aka da aka rogaje mu yanzu dis family ke da kai jihar umar umar akwai matsala amma har da haka nan dai sai mu ce mata sun wuto su azta karsu kenan nan ma an ji daɗi akwai mata da ya cin kwansayar Ici, nous sommes dans les locaux de la fédération Fan Arzikimata qui excelle dans l'extraction de l'huile d'arachide dans la commune rurale de Issa, située à 35 km de Maradi. Ici, les femmes ne sont pas en marge de progrès également

ita ce mu dai mu samu wayewar kan mata kuma bancin wayewar kan mata kuma maza su san nauyin da ya rataya bisa kansu su sabke shi dangance da harakan mata da iyali yara kalubalen da muke fuskanta game da waka sallah don saboda maza ba su gano mu ba maza ca suke wai mu muna son mu samu inci ne ba ko haka bane ba mu abin da muke so muna so maza su gane nauyin da ya rataya bisa kansu na matansu na iyalinsu yaransu don saboda su sabke shi yadda Allah ya ce to ta hanyar wannan sallah an kwan gaba da mata suka samu tunda ana waye ma mata kai a ce su yi sana'o'i na game ga sunan ana yin kungiyoyi ga sunan barkatai wanda mata za su yin aiki tare su unhwana À Maradi, à l'occasion de la commémoration du 13 mai 2024, il est prévu une grande foire d'exposition des produits fabriqués par les femmes de maladie dans la commune rurale de Saï-Savoie dans le département de Guidarumchi. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour Samy, bonjour Myriam. Bonjour Gourouza. bien. Ça va bien. Poursuite de la Super Ligue de football du Niger et plusieurs rencontres se sont déroulées à Niamey et à l'intérieur du pays. Oui, euh, c'est la 25e journée de ce championnat d'élite du foot euh, du Niger. À Niamey, l'AS Nigelec qui reçoit a été tenu en échec par l'AS Fan sur le score d'un but à deux. L'équipe de la Renaissance de Bukochi a été battue à Niamey par Tagour provincial de Dosso sur le score de un but à deux. Irana Darlit bat 2 buts à 0 les rouges blancs de Lakourou sous l'Olympique FC. 0-0 entre Lakokana et le Liberté pendant ce temps. Jean Gorzo dispose du Sumunta sur le score de 2 buts à 1 à Maradi. Gourouza, le premier tour du tournoi IFOA BI17 commencera le 15 mai 2024 à Accra, la capitale ghanéenne. Oui, euh, Mariam, le match d'ouverture va opposer le Ghana, pays organisateur, à la Côte d'Ivoire le 15 mai dans le groupe A dans l'université Stadium d'Accra. Le MENA U17 fera sa première sortie le 16 mai 2024 face à, au Togo euh, dans le groupe B. Le Burkina Faso sera opposé au Nigeria toujours dans le groupe B. Donc c'est pour vous dire que les Nigériens croiseront dans cette compétition les éperviers cadets du Togo, les Golden du Nigeria et les étalons cadets du Burkina Faso. C'est un tournoi qui permettra aux équipes vainqueurs de recevoir leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations de foot U17 en 2025. Pour finir, euh, je vais, je dois, ou bien j'ai le devoir de souhaiter bonne fête à, à toutes les femmes en général du Niger, mais particulièrement aux femmes de Studio Kalangu. Merci, Grouza, bah, C'est très gentil. Passe une très belle journée. Merci. Merci, Grouza pour toutes ces informations sportives. Samira, il est temps de passer à la partie portrait du jour. Oui, Mariam, pour le portrait du jour, nous allons à la découverte de Ramatou Adakal. C'est une jeune femme qui évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat à Maradi. Ramatou s'est spécialisée dans les épices naturelles et certaines farines. Notre reporter Mohamed Maman l'a rencontrée. On l'écoute. Âgée de 34 ans et titulaire d'une licence en marketing et d'un master en gestion des ressources humaines, Ramatou Adakal témoigne être une femme qui n'aime pas croiser les bras. Et si son domaine de prédilection est la transformation des épices, c'est parce qu'elle aime les bonnes senteurs. En fait, depuis toute petite, j'aime bien faire la cuisine et j'adore les épices. Le bon senteur, quoi. C'est de là que j'ai commencé. Je faisais à la maison un peu, un peu, quand j'ai vu que les gens aimaient bien. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commercialiser ça? Je transforme euh, des épices, je fais des jus naturels aussi et la farine, surtout la farine de Don Waiké. Entreprendre au Niger n'est pas une chose facile, c'est le Ramatou, qui malgré les difficultés gappe le cap surtout que ces produits sont très appréciés à l'extérieur. Je cherche à produire en grande quantité. J'amène ça au Bénin, mais les épices, ils ne commandent. Les Béninois aiment. J'ai une tante là-bas, elle a commencé à consommer pour elle, mais là maintenant, elle a mis ça sur le marché et que les gens apprécient. Je suis en train de voir comment faire un petit truc avec elle, quoi. J'envoie, elle vend. Si c'est fini, elle me revient. Voir comment mettre ça sur le marché du Bénin. Difficulté, il y en a plein. Je ne peux les citer tous. Moi, ce qui me retient encore dedans, c'est parce que j'aime bien ce que je fais et quand je vois que vraiment la clientèle est satisfaite, c'est ça qui, me pousse à aller de l'avant. Du côté des clients, ils se frottent les mains de trouver des produits préconditionnés faciles à utiliser. Bonana Hadiza, une cliente de Radakal, les produits sont de très bonne qualité. Me concernant, donc, euh, j'ai utilisé ces épices, et C'est des produits de qualité. Ils sont faciles d'utilisation, surtout le, conditionnement. Donc, euh, c'est très facile d'utilisation et c'est vraiment de bonne qualité et très abordable aussi pour la bourse moyenne du Nigérien. Donc, c'est un bon prix qu'elle fait et je souhaite bon vent à l'entreprise. Rien n'est plus intéressant pour un jeune que d'entreprendre une activité économique pour se prendre en charge. C'est en tout cas une idée que partage Ramatou Dakal et lui permet de rester dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci Mohamed Maman pour ce portrait, chers auditeurs. Clôturons notre playlist avec le son Mère de l'humanité de Hapsu Voilà, c'était le titre Mère de l'humanité de l'artiste Hamsou Garba, paix à son Place à présent au loti du jour. Le Niger a célèbre ce lundi 13 mai la journée nationale de la femme. Cette date historique est à mettre à actif des femmes nigériennes qui se sont battues et ont obtenu euh, une meilleure représentativité au sein de la Commission nationale préparatoire de la Conférence nationale souveraine du 29 juillet 1991. Écoutons Rekia Arimi, Made et moi-même. Affairage, affairage, affairage, affairage. est-ce qu'il m'a déposé mon voile Il ne faut pas que je sois en retard à la cérémonie. Hein. Hmm. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mariam, va voir qui est là. Le temps que j'arrange mon foulard. Bonjour Tanti, bonne arrivée. Merci ma chérie, où est ta maman J'espère qu'elle n'est pas en train de faire sa grasse matinée comme d'habitude. Hé, je t'entends, hein Qui va faire grâce matinée un jour comme aujourd'hui D'ailleurs, je suis même en retard. Tu vas où tirer à quatre épingles comme ça Ma copine, ne me dis pas que tu as oublié qu'on est le 13 mai aujourd'hui. Journée nationale de la femme nigérienne. Comment ça Il y a une journée pour nous Depuis quand Comment ça se fait Donc c'est férié aujourd'hui. Hé, <laughs> hey, calme-toi. Cette journée date de 1991. 31 ans C'est mon âge Et alors cette journée a été instaurée en 1991 après la marche pacifique des Nigériennes organisée lors des assises de la conférence nationale souveraine. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette manifestation On leur a refusé la participation ou quoi en quelque sorte, parce que le bureau chargé d'organiser la conférence nationale souveraine ne comptait aucune femme. Et cela a poussé les Nigériennes qui ont décidé de sortir dans la rue pour exprimer leur mécontentement et réclamer une plus grande représentation au sein de la commission préparatoire. Ah bon Mais les Nigériennes sont courageuses. Hein? En même temps, il faut ça pour ceux qui ont des comportements machos. Et eh, moi, je n'ai pas dit cela. Je te raconte juste comment cette journée est née. Je continue. Et depuis ce jour, dans tous les pays, chaque 13 mai, la journée est commémorée avec plusieurs activités pour rappeler aux femmes et aux jeunes filles qu'elles ont des droits et des faits, elles doivent lutter pour leurs droits politiques et leur inclusion dans les prises de décision. Masha'Allah, donc c'est pour cela que tu es sapée. ah <laughs> mais oui, hein <laughs> Vraiment, je suis touchée, ma chérie, par cette histoire. Je vous propose de faire un tour au village pour sensibiliser nos sœurs sur l'existence de cette journée. En tout cas, j'y passerai le message. De mon côté, je vais en parler à l'âge et l'informer qu'aujourd'hui, c'est à lui de faire à manger et s'occuper des enfants. Et eh, ma copine ne déforme pas mes propos, hein <laughs> T'inquiète pas, je veux juste savoir si je suis choyée. Tente ta chance, m'appelle, Peut-être tu auras du repos. chers auditeurs, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine, autonomisation, en français et en anglais avec Samira Omoro. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your show culture linguistique. Au Niger, la journée nationale de la femme nigérienne est célébrée le 13 mai. Au Niger, National Women's Day is celebrated on May 30. Une date qui est considérée par beaucoup comme un tournant dans la participation à la vie politique et publique. À cette occasion, cette année, une foire de femmes transformatrices se tient depuis le 3 mai à Birningaure, où un marché a été inauguré pour le commerce des femmes. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'autonomisation des femmes. Le mot du jour est autonomisation. L'autonomisation, c'est le processus par lequel une personne ou un groupe social acquiert la maîtrise des moyens, qui lui permet de se conscientiser, de renforcer son potentiel et de se transformer dans une perspective de développement, d'amélioration de ses conditions de vie et de son environnement. Autonomisation in English means empowerment. Empowerment is the process of gaining freedom and power to do what you want and control what happens to you. Let's take an example. Women belong all in places where decisions are made. That means in French, les femmes ont leur place partout où les décisions sont prises. Les stratégies d'autonomisation aident les femmes à augmenter leur pouvoir de négociation, à prendre davantage confiance en elles. L'autonomisation leur offre le choix et le pouvoir d'agir pour leur propre bien-être et celle de leur famille. Empowering women is essential to the health and social development of families, communities, and countries. When women are living self et productive lives, they can reach their full potential, contributing their skills to the workplace and can raise happier and health, healthier children. Ladies and gentlemen, that's all for today. On se dit au revoir et à très bientôt. Bonne fête à toutes les femmes. Merci Samira pour cet éclaircissement sur le mot autonomisation. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication, en anglais, en hausa, en zarma, en ou en N'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 à 64. Et justement, mira, écoutons ensemble le message vocal de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Merci pour le micro de m'exprimer sur les émissions du studio Kalangu qui diffusait avec les radios partenaires leurs émissions. Ça passe très bien. En tout cas, nous les remercions et vraiment nous les encourageons. Mais vraiment, eh, les émissions sont faites dans les angles. Alors qu'à Tifa, nous, chez nous, il y a d'autres langues. Par exemple, je suis canori. Vraiment des émissions. Nous le souhaitons un jour qu'il y aura une émission en Kanori. Et vraiment, c'est une des langues du Niger. Vraiment, ils font des activités dans la promotion de la langue et des cultures. Ils donnent des informations fiables, ils donnent des informations réelles, ils donnent des informations à temps et ils diffusent des informations euh, partout au Niger. Là aussi, euh, je recommande, je recommande en tant que jeune. Et c'est lié aux émissions qu'ils font. Par exemple, il y a les émissions FADA les émissions Fadala. Et c'est vraiment, c'est des émissions, nous aimons beaucoup et nous les écoutons très bien. Malheureusement, c'est des émissions, et hein, chaque fois vous allez attendre, c'est à animer Vraiment, nous les souhaitons beaucoup un jour où hein, ces émissions-là se passent aussi chez nous. Assalamu studio Kalangu 11 zuwa midi gaskiya muna jin daɗin shi a nan jihar mu ta difa da muke kamawa a radio alternative ta nan jihar mu difa kuma ana wayar da kan matasa kuma hallau ana wayar da mata manya da ƙanana da sauransu gaskiya mu kan a nan difa muna jin daɗin harkokinsu da suke yi balantana yanzu na sabbin nan da suka yi alhamdulillah muna jin daɗi in san samu ne ma su ƙara akan wanda suke yi yanzu assalamu alaikum studio kalangu muna jin daɗin labarinku a biskan layin na radio da margu fm ina gaida mutanen ta da kowa da kowa ni ne ali american tayar a tani karce sahara assalamu alaikum studio kalangu ni ne dan gaya daga nan tani taylor ali ina gaida hassan ina gaida Ali, ina gaida rasuwa. Aima Maryama Madan Sulai kan go sai zongo. Riga hangangi sai gumo zama labari yanno kan iga Borno bon ferai surtu barai kan sinda hina tele wane dinga hangan kalongu ni ga du labarai markan no igo an dunya bon kan manti tarin da wane. an ken gonde rajani gudu albahari ni kina mobo kina da zarma sanino kina kandu mano ni ma da hausannino da fulan sanino ni kina bo din hanga ege kina te kalima toni wana kan ga ni ga mani faham ga haikan go te bahara ya tan tongo kira bay mi te dai mutan tan tan se way barai se juro ki te atalata bo zamiro wai baryanno ila muduga famda markanno andu ga ba oɗen ɗerga go du juru fo i ga ton ton er sey a talataga imi ega ton ton way baray si zama a ga boori gumo-gumo a gonde bon feera ir way baray si Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui on n'a pas vu le temps passer. Ici pour enfin cette émission de ce lundi 13 mai 2024. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci à toi aussi Mariam pour ta compagnie. C'était avec un grand plaisir à Samira. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et de Samira Wafi. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par Amina Hassan. Bonne journée de la femme nigérienne à toutes nos auditrices. Bye bye.